damay nuyu képp koo xam ne def nga déplacement damay nuyu képp koo xam ne def nga déplacement ñëw fii ci place mitik bi nga xam ne mooy place de Mbao dinaa nuyu ki nga xamné mom moy le chef de village Baye Mbaye Thiaba ma ngi lay nuyu dila la jox sa waccu way suma chef de village nu na kilifa mbaaw yi fi tok ñépp et quand je dis mbaaw je parle de mbaaw commune ma ngi nuyu Benno Bokk yaakar di nuyu coordonnateur parti socialiste ki nga xam déplacement bu bu munoon nekk nek ak ñun mais envoyé na fi délégation bu am solo di Abdou ndoy di nuyu suma frère ñing di coordonnateur de l'AFP di nuyu les cadres du département de Pikine les coordonnateurs du département de Pikine di où les sages du département de Pikine du où les femmes de Benno Bokoyakar du département de Pikine je salue la Cogère. Vous m'apparaît paree ci la commune de orcadère, ici représentée par l'adjoint au maire mon ami Ousseinouba. Mangi Nuiou nuyu la lionne responsable des femmes de la commune de Mbao di jël nuyoo jigen du diko tek jottali la première dame l'infatigable ki nga xamné limuy social jarna buñuy sargal jigen ñu jël ko def ko marraine la femme de mbaw décidé en faisant de la première dame la marraine de cette journée bala may def sama discours bëggoon wo fi fii kenn koo xam ne mu ngi Seydina conseiller ci du ñak Fanny Mounema Abdou Karim j'ai décidé de venir soutenir le président de la République à tes côtés Seydina Nyan, Seydina Boufekene fekkee ne mu sa frère le Garaf, de Mbao Seydi Kane maa ngi lay nuyu bu ma ne ñu nuyu ñëpp nuyu kilifa yëpp maa ngi nuyu nag ki nga xam ne c'est une brave dame à mes côtés Adja Mariam Dieng madame Sall Khady wax na ko sànq ma ne sallallahu alayhi moo ne góor bu gën ci góor ñi mooy góor bu gën a yërëm jabaram

Ils ont essayé de mobiliser Pékin et ils ont échoué. En tête, Pape Diop, Omar Sarr, Tcherno Alassane Sall, Sonko. Ils ont essayé de mobiliser Pékin, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu réunir 300 personnes. Nous avons aujourd'hui réuni plus de 3000 femmes ici à Mao. Mangi nuyu nak mangi nuyu ñi nga xam dañu bokk ci mouvement and ak Abdou Karim dolel président de la République Macky mangi maa ngi leen di nuyu yeen ñépp fépp ngeen mun a mangi maa di sante mangi di gërëm je pense que li nga xam gis nañ ko fan yi kaw où l'opposition a tenté en vain de réunir 300 personnes, je pense que la messe est dite. Ils ont bien compris ce qui les attend en 2019. parce que nous nañu ne euh, ñi nga il faut ñu signature de contrat ñu présent

il ne peut pas réunir 1% des électeurs le président de la république souvent six ans à la tête de la magistrature suprême ces six ans sont remplis de succès et de réussite les six ans du président de la république sont éloquents en termes de résultats le président nous avait promis le Yonou Yokouté. Il nous a déroulé le plan Sénégal émergent à travers ces trois piliers essentiels. Et je pense que, euh, euh, je pense que ce qui est en train d'être fait, que le Sénégal est en train d'observer, rassure et assure que le président de la République, son Excellence Macky a une ambition pour le Sénégal. Une croissance de 7%, il faut être Macky pour le faire. li nga xam na ci social def na ko ci bourse santé def na ci éducation dax na Linga formation le président de la République est en train de le faire dans le cadre de la gouvernance sobre et vertueuse n'est plus à démontrer. Je profite de cette occasion pour féliciter le gouvernement du Sénégal pour l'ensemble des efforts qu'ils ont eu à accomplir et pour l'ensemble des efforts qu'ils ont accomplis de manière générale en direction des populations sénégalaises. Le train express régional, il faut être le président de la République pour avoir cette ambition. L'aéroport de Diomniadio, il faut avoir l'ambition pour le terminer. L'aéroport de Dias, les chantiers sur le plan des infrastructures, le président de la République a fait des choses visibles li nga xam président ñëpp teg nañ ci seen les denrées président daal rek la Yok, bi mu ñëwee ba léegi te mun naa leen wax lan la muy jàmm jàmm rek la yokk ci réew mii lépp loo xam ne la lépp dund nit ñi la le président de la république def ko stabiliser ba pare daal maintenir qu'à à un niveau acceptable pour les populations limudef qui def ci nous infrastructure les def ci wàllu télécommunication li def ci télécommunication le free roaming li nga xam instruction yi jox pour que sénégalais yi di tukki ñu bañ a quand ak ay taxes li nga xam ne dafay metti le président de la république a présenté un bilan et présentera un bilan qu'aucun autre candidat sortant n'aura présenté dans l'histoire du Sénégal. Nous sommes fiers aujourd'hui d'exhiber à la face du Sénégal le bilan élogieux de son Excellence le Président Macky Sall. Président, le PSE est une réalité. Président, la gouvernance sobre et vertueuse est une réalité. Président, le social est une réalité parce que vous avez décrété 2018 comme année sociale. Sur le plan de l'éducation, effort yi nga gouvernement du Sénégal def sénégalais président boul wax président bul wax ak ñooñu bu tontu nga tontu le tontu le parce que inshallah vous avez demandé à ce que dans chaque commune qu'on mette en place 300 euh, volontaires ici à Mbao nous sommes à 539 volontaires inscrits et qui sont prêts a sillonné le département de Pékin en même temps que les autres communes sont en train de d'abattre un travail extraordinaire. Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de 1%, vous avez 65% et plus. Si vous voulez avoir une caution de 65% des électeurs, nous allons vous les donner parce que vous avez montré aux Sénégalais que vous avez une seule ambition, c'est celui de porter le Sénégal sur les rampes de lancement qui nous mènent à l'émergence du Sénégal de notre pays.